Hey. Ladies and gentlemen. Nous allons une fois de plus recevoir l'artiste El Grincho pour qu'on puisse parler de ses œuvres artistiques sur l'émission Tous à la El Grincho. de la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Aïe Sabou. Aïe ay go hangan single sinti hakkan sinti dade on va regarder kapas kun kun evreno nama igene wa el girin de A à Z voilà oh donc c'est de cela qu'il s'agit parlons un peu du premier single de l'artiste mon premier groupe comme je t'ai dit c'était illicite illicite arawo illicite non merci il faut aranka illicite le premier single de illicite le premier single de illicite ne m'a dit dîner illicite ça veut dire qu'il y a la dose il y a la dose oh mais premier titre c'est la dose ok donc dinnu sundu sundu niga bay mi hayay no merci Allez, c'est 2 heures ma matna gi mana banda banda ay mani lala grincho no ka mc sunday malfa sunday gini <laughs> Chaka. chaka. Ah, ok. Bigidi bigidi bigidi bigidi. <laughs> Ça c'était le premier single de Illicit? Ouais. C'était en 1998. Ouais. La suite. Donc euh, après, on a fait euh, sortie euh, aussi en 2003. Ok. On était toujours en groupe, uh-huh. mais cette fois-ci, ça s'appelle Zone One. Zone One. Zone One. Donc Zone One, on a fait un son qui s'appelle Pose le micro. Voilà. Donc parce que Uruza Zakinertum, c'est le clash. Hmm. Tu vois, non donc pose le micro. Pose le micro rano été ne saraka fito fito ne saraka koto ne ko kaka ne ni barka koto ne go ni jine ne go ay go kay ni charma moto muso muso yamu ne lito ne bongo bu sando toto Oh oh oh oh ne o oh, o oh, rana banda après après quand ay a été champion en 2007 2007 pour rappel au Burkina Faso au Burkina Faso lokacin oh. kula sun da album fa uh -huh. ai ka kwaro okay ingana ka garkasai okay ai niga niga niga ai garkasai niga niga niga o kan nari wannan bai bin bodo ni tundi ni bon Niger man ba bai ni ko ni Niger représenter ni te champion d'Afrique ni yegi yegi ka irne mai no boro ine elgrinchonam iri yegi ma ne ka nin taku ba samun ko burkina to ni yegi kar ni yegi te champion ne ka to bo man ne kodok saw to din za tayni tangu funu ine clash rap ah inge sa temi inge mi ye gani woni est-ce que tu as un message particulier à ce qui ton trophée pour qu'on puisse s'il le faut toucher et réactiver et dépoussiérer ouais. parce que Omar Gandal Kasso est statue Burchina. Burkina donc du coup il faut qu'on trouve un moyen pour faire revivre ce, ton trophée parce que tu es de retour avec force et puissance. Est-ce que tu as un message à l'endroit du ministre en charge de la culture actuel as ça aussi l'artiste exprime. Ouais. En tout cas, le message que j'ai euh, pour le ministre, mhm. on parle de renaissance culturelle aujourd'hui. Mhm. Mhm. Donc, quand on dit renaissance culturelle, on parle aussi de la renaissance des artistes qu'on pense disparus, mais ils sont là, des vétérans, des monuments, des dinosaures comme nous. On est là et moi, j'ai mes trophées. Et comme je l'ai toujours dit, mes trophées, c'est pas pour moi, c'est pour le Niger. Aujourd'hui, je préfère voir des Four Ministère. Quand je rentre dans le bureau du, ministre, je vois les trophées de football, machin et tout accrochés. Aujourd'hui, ça me ferait plaisir que mes trophées soient accrochés là-bas. Moi, je n'ai pas dû de me donner un franc. Mais aujourd'hui, que mes trophées soient représentés valablement au niveau du ministère, ça me ferait énormément plaisir. Deux fois champion d'Afrique. On espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du Nous allons encore entreprendre des démarches pour que ton message soit entendu. Merci.